auditeurs de studio Kalangu, bonjour. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour vous servir. Pour cet avant-dernier numéro de la semaine, la présentation est assurée par Semira Rouafi et moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Semira, tu es d'attaque ce matin Oui, on peut dire que je suis bien en forme malgré le froid et toi ça va Oui, ça va. Alors tiens-toi bien. Le programme du jour est très vaste. Je suis paré pour ça, on y va. A priori, nous avons le flash d'informations qui nous sera présenté par Mokhtar Hamadou. Il y aura la page sport, la chronique loti et de la culture linguistique. Sans oublier notre fameuse rubrique hebdomadaire qui parle d'éducation numérique et nous serons avec Ousmane Mahmoudou. Nous ferons un tour dans les domaines de la technologie. Et ce n'est pas fini, en écho des régions, nous ferons un tour à Tilabiri, capitale du fleuve, pour parler de la vente du poisson. Nous suivrons également un entretien sur la protection des enfants migrants non accompagnés avec Amadou Alassane, directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant à Agadez. Chers auditeurs, de la bonne musique nigérienne vous accompagnera tout au long de cette émission, le Niger sur Kalangu. Et c'est parti euh, tout en beauté, tapa euh, pour une heure de beauté. Mes auditeurs et auditrices, voici les flèches d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Abiba Ahmed, bonjour Samira Rouafi. Le flash d'information euh, à présent. Les membres du comité national d'orientation chargé de l'élaboration du nouvel hymne national dénommé l'honneur de la patrie ont été décorés au cours d'une cérémonie hier au palais des congrès de Niamey. C'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de plusieurs autres personnalités. Au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, le grand chancelier des ordres nationaux du Niger a élevé certains de ce comités à la dignité d'officier et commandeur de l'ordre des palmes académiques du Niger et d'autres à titre de grand officier dans l'ordre national du Niger. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi a rencontré mardi son homologue allemand Boris Pistorius et sa délégation en visite à Niamey. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets dans le cadre de la reprise et la consolidation de la coopération militaire entre les deux pays. Également, la reprise euh, du projet de construction de l'hôpital militaire de référence à Niamey a été abordée. Le Niger fait ainsi donc un retour progressif euh, dans la diplomatie internationale juste après que les États-Unis ont reconnu le CNSP et son gouvernement comme représentants légitimes du Niger. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le colonel-major Garba Hakimi, a remis hier une trentaine d'ambulances aux structures de santé du Niger. La valeur de ces véhicules médicalisés est estimée à environ 1,46 milliard de francs CFA, une acquisition sur fonds propres de l'État. La réception officielle s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Niamey, des maires d'arrondissements communaux et plusieurs autres cadres du ministère de la Santé publique. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 21 décembre 2023. Merci Mokhtar, à bientôt. Comme souligné plus haut, notre entretien du jour, c'est avec Amadou Alassane. Il est le directeur régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant d'Agadez. Mais avant d'en arriver là, nous allons savourer ensemble la première musique de notre playlist pour avoir du tonus matinal. Et oui, il s'agit de Yarinyaga Saloula du groupe qui en fit avec Ali Achvili. mata. E, Ji Jimina. Miye? Ina dan bayani da ke ne. Ya ne ke gani? Idan kin kwanta mana a rai. Na kwanta ma a rai. Kwana biyu kina wucewa a nan wurin. ke shi a rayuwa ta ya ke gani. Kana da mota ne? Mota? Ba da mota. To kana da moto? To wallahi ko moto ba. Moto ba. Salula wa? Salula. A shekaran jiya na sai da salula. gani gaugawa nike in baka da kodai a cikin su ka sa kilo dubu a tsakanin mu ka san mu yanzu ba mu harkar tsami sai harkar sanyi kuwa to to kai abokina saurara ka shi zancen da zani ma yana iya yi ma magani soyayya kake ba ba'a ce bakar ka so ba ce bakar ka yi to amma i bincike soyayya ta yau ta zam adashe su ka ɗauka malam sai ga bashkole soyayya ta gani zauce sama kuma kasan gani zauce vum vum gani zauce yarinya gani zauce vum vum vum gani zauce mota ko injin gani zauce vum vum Cikin 180 na ka faya, na zo da magar sai faya, roga, yarinya roga, feno na kara roga. yarinyaruga funzwa no safari nezani leka da yan matan Seme inji ko salula Seme inji ko salula Seme inji ko salula Ke kan mata yaya ta ko abikiya Ga gargadi guna da zani baki to kiji Ki sani so

On y va. Oh yeah. Yes. Huh. inje inje y'a ina da inje a lura mota mota Y'a ina da mota a mai zaba zaba mota ko inje zaba zaba ame mai Les ce les ascendait elles sont toutes les mêmes partout où tu passes le même dilemme il faut que tu te battes si tu veux qu'on t'aime elles ont le même problème le mec sans centimes c'est ça leur totem l'amour se vend et s'achète comme des nems Hey Castro ka san me ke ce ma zuba dauki to ne shi ne sai me in shi ko salula sai me in shi ko salula sai me in shi ko salula sai me in shi ko salula ke masoyiyata yaya aka yi ita baki kamnata sai da ne salula ke masoyiyata Alors Habiba, tu as fait partie de la génération qui exige le téléphone ou pas Non, même pas. Revenons à notre chanson. Le nom du groupe signifie les règles de vérité et est le porte-parole de la jeunesse nigérienne à leur temps, il y a de cela quelques années. Le groupe s'inspire de mélodies ancestrales et de jeux d'instruments traditionnels dans ses compilations. Cette musique que vous êtes en train de kiffer est une collaboration avec le célèbre chanteur, comme sa voix l'indique, de Zender Ali Achibili du Haske Star. Dans cette chanson, les paroles nous rappellent l'arrivée des téléphones portables dans les années 2000. Et dans cette sonorité, on entend conditions à pour sortir avec une fille à cette époque. Bien sûr, la chanson, c'est une sonnette d'alarme pour attirer leur attention. C'était là le titre euh, Yarinya Salula du groupe euh, Kaidangaskia en fit avec Alia Tibili. Chers auditeurs, vous vous êtes bien chauffés avec cette musique, j'espère. Là, je vous propose d'écouter la première partie de notre entretien qui parle des activités qui mènent les enfants migrants non accompagnés au pays d'accueil. Monsieur Amadou, présentez-nous votre structure. Euh, donc la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, c'est un service déconcentré de l'État nigérien qui s'occupe de la mise en œuvre de deux politiques fondamentales, à savoir la politique de la promotion de la femme et la politique de la protection de l'enfant sur donc les territoires régionaux sur lesquels elle est. Parlez-nous des activités des enfants migrants au pays d'Aki. Voilà, donc euh, en ce qui concerne les volets de la protection de l'enfant, parce que la question que vous venez de poser euh, s'inscrit dans ce domaine-là, la direction gère deux programmes. Le premier programme, c'est ce qu'on appelle la protection de l'enfant à travers les services réguliers. Et le deuxième programme, c'est le programme de la protection de l'enfant en situation de migration. Donc, concernant ce deuxième volet euh, sur lequel j'ai été invité, en ce qui concerne les enfants euh, nigériens en situation de mobilité, généralement les activités que les enfants mènent au pays d'accueil. Quand je parle des pays d'accueil, ici pour la région d'Agadez, généralement, les enfants nigériens partent vers l'Algérie ou vers la Libye. Donc au niveau de ces deux pays, les principales activités que les enfants mènent sont vraiment la mendicité. En dehors de la mendicité, on peut trouver d'autres jeunes qui s'adonnent à certaines activités dans le cadre des constructions, par exemple des manœuvres ou d'autres activités. Mais en grande majorité, si on prend 100 enfants, je ne vous parle pas des jeunes, en tout cas 90% vivent de la mendicité le long des artères, au niveau des feux optiques, à certains endroits aussi stratégiques comme euh, les mosquées et d'autres lieux où on peut leur donner de l'aumône et de la charité. C'est pour cela même que la majorité, vous voyez, sont raflés et on les fait retourner au pays. Quelles sont les stratégies pour échapper aux rafles policières eh Oui, comme euh, c'est une immigration irrégulière et à risque, donc la majorité des enfants et des femmes qui partent soit en Algérie ou en Libye ne sont pas dotés de pièces ou d'identité, d'extrait de naissance, des documents de voyage de façon globale. Ce qui fait que les victimes ou les, femmes et les enfants seront obligés de faire une vie clandestine. Cette vie clandestine consiste à quoi Généralement, ils construisent des cases en paillote avec des cartons, mais éloignés de la ville, dans la brousse. Donc le matin, ils partent en centre-ville pour faire euh, leurs activités. Et dès qu'ils voient qu'il est vers 17h, 18h, avant qu'on ne commence les rafles, ils quittent les lieux pour revenir passer la nuit en brousse. Maintenant, la deuxième stratégie aussi, ce que les enfants font généralement. Une fois qu'ils ont été raflés, après les rafles, on conduit les enfants au niveau des camps de détention puisque aujourd'hui, par exemple, si on a raflé un nombre, demain encore, on va le faire après-demain. Et il faut qu'on atteigne un seuil pour faire un convoi de refoulement. Donc, euh, les enfants, une fois raflés dans les bus qui les amènent au niveau des camps de détention, d'autres n'hésitent pas à sauter. Nous avons eu plusieurs cas d'enfants qui ont eu des chocs sur la tête, qui sont revenus avec des blessures. On a même eu un cas euh, d'un enfant qui s'est cassé la jambe. Selon vous, quelles sont les actions pour mettre fin à la migration à risque des enfants Pour mettre fin à la migration irrégulière et à risque des enfants, d'abord, il faut sensibiliser les communautés. Il faut mettre à contribution les médias, que ce soit les télévisions, que ce soit les radios, qu'elles soient communautaires ou qu'elles soient euh, nationales ou privées, il faut mettre un accent sur la sensibilisation afin que les gens comprennent le danger de cette activité, afin que les parents comprennent qu'un enfant, d'abord, son lieu, c'est d'être à l'école et non un enfant de 7 ans, de 8 ans, n'est pas à lui de nourrir la famille un enfant, son lieu d'abord, c'est l'acquisition des connaissances, que ce soit l'école moderne, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit les études coraniques. Donc il faut passer par la sensibilisation pour changer des comportements. Il faut un système éducatif performant qui répond aux besoins des communautés, qui maintient les enfants jusqu'à un certain âge. C'était là la première partie de notre entretien avec le directeur régional euh, de la protection euh, de la femme et euh, de, la, la promotion de la femme plutôt et de la protection de l'enfant. Passons à la musique qui suit. Parlons d'abord de l'artiste de son vrai nom, Abdul Karim Ibrahim, plus connu sous le nom d'artiste de Ayman. C'est un jeune artiste connu par les mélomanes. Cet homme est une icône de la musique nigérienne. Il est l'un des artistes rattachés à la société et beaucoup de ses textes parlent de la prise de conscience des jeunes et les invitent à une bonne conduite dans la société. C'est le titre Marraine que je vous propose d'écouter. Phénomène Ayman, besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. m'en a besoin de toi. T'es ma reine et je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Bébé, viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Eh ben, c'est toi me fais me sentir bien. Ouais, niques c'est pas ma haine. Bébé, nigo, man. Man, gani, koi, kai, nan. Kinigu, kai, man, kani. Bina san, niga, ba, kai, ban. Ay, ngwara, kai, gate. Si, ye, gai, tang. Kulu, koi. Si, koi, gai, nan. Ba, kasi, ne. Yuro, kan, ga, kan. Mahan, ni, wana. Bina, say, ba, han. Na kulu, kan, no, go, Ay, tini, c'est toi ma reine Celle qui efface mes peines La seule qui me comprenne Ouais t'es l'unique c'est toi ma reine Bébé c'est toi ma reine Celle qui me va bien La seule qui me soutient Celle qui me fait me sentir bien Ouais t'es l'unique c'est toi ma reine I'm in love with your body baby In love with your body I'm in love le titre marin de Hayman. Enchaînons avec la deuxième partie de notre entretien. Cette fois-ci, le directeur revient sur les différents droits de ses enfants. Écoutons. Comment se fait la prise en charge des enfants migrants non accompagnés La prise en charge ici, elle est assurée par d'abord la direction régionale en charge de la protection de l'enfance. Parce que dès qu'on dit enfant non accompagné, il faut entendre par ces vocables un enfant qui est seul sur la route migratoire, qui n'est ni avec son papa, ni avec sa maman, ni avec aucun adulte qui assure sa protection. Donc il est seul. Une fois que le convoi arrive, nous arrivons à identifier tous ces enfants qui sont non accompagnés. Mais comment vous les identifiez eh, Mais l'identification, d'abord, nous avons un service frontalier qui est à la frontière de l'Algérie, à Asamaka. La première situation est faite là-bas en collaboration avec l'OIM. Donc tout le travail, avant que le convoi n'arrive à Agadez, nous avons déjà une première situation. Attention, dans ce convoi-là, nous avons tel nombre d'enfants qui ne sont pas avec leurs parents. Donc la prise en charge, d'abord, elle consiste à leur fournir l'hébergement. Puisque le site, vous voyez, il est un peu en brousse. On accueille les enfants, donc nous, on les transporte, on les ramène dans notre direction, qui est un service de l'État nigérien. Il y a des dortoirs séparés. Il y a pour les filles, il y a pour les garçons. Et ensuite, il y a un restaurant qui est notre prestataire, qui leur amène à manger durant leur séjour. Nous avons aussi une convention avec euh, les services de santé qui viennent leur faire la consultation médicale. Il y a aussi les animateurs dans ce centre-là, ce que nous appelons les travailleurs sociaux, qui font les activités socio-récréatives pour permettre aux enfants de se sentir à l'aise aussi, il y a le juge des mineurs qui intervient. Il écoute les enfants qui vous a amené en Algérie pour avoir des pistes. Donc s'il y a des auteurs de traite des personnes, il arrive à identifier un certain nombre d'auteurs pour une éventuelle poursuite. Et donc une fois que tout ce travail a été fait, donc le juge nous délivre un papier qu'on appelle ordonnance de retour en famille. Et donc nous prenons la route. Il y a des agents qui accompagnent les enfants, d'autres prennent les axes euh, Zander-Maradi, d'autres vont prendre l'axe Agadez-Tawa, jusqu'à même Niamey, nous arrivons à avoir quelques cas rares de Niamey, région de Tilaberi et un peu d'Osso. Directeur, quels sont les droits des enfants migrants non accompagnés euh, Merci euh, de toucher quand même du doigt la question des droits de l'enfant parce que tout ce que nous faisons, en tout cas nos interventions sont centrées sur les droits de l'enfant et nous veillons à ce que ces droits-là soient respectés. Ces dernières années, que ce soit le ministère en charge de la protection de l'enfant, que ce soit les agences onisiennes qui nous accompagnent et les autres ONG, en tout cas, un accent est mis par rapport aux droits de l'enfant qui se trouve seul sur les routes migratoires. Ces droits sont entre autres les droits à la santé. Depuis Assamaka, Arlette, Agadez, là où le convoi s'arrête, si l'enfant est malade, il faut lui donner les soins. Il faut le nourrir, il faut l'habiller, il faut lui donner un logement. L'enfant est inséparable avec les loisirs. Il faut lui donner les loisirs autant que CP, parce qu'il y a des enfants, tellement qu'ils sont joyeux, ils disent qu'ils ne veulent pas quitter pour retourner. Et les droits à la réunification familiale, faire en sorte que l'enfant retrouve ses parents. Pour ceux qui n'ont pas fait un long moment et qu'ils ont quitté l'école, nous faisons un référencement en écrivant cet enfant, ça fait deux mois qu'il a quitté l'école. Veillez s'il vous plaît à le réinsérer dans le circuit. S'il a dépassé l'âge de l'école aussi, on fait le référencement pour qu'il profite de la formation professionnelle. Et enfin, il y a les droits à l'enregistrement, qui va déboucher sur les droits à la nationalité et autres. Alors, quels sont les services et les institutions chargées de la mise en œuvre D'abord, les services de mise en œuvre, il y a deux catégories. Il y a les services étatiques et il y a les services qui, qui sont non étatiques, qui se classent aussi en deux groupes. Donc, les services étatiques, c'est la direction en charge de la protection de l'enfant, la direction régionale de l'état civil, de la migration et des réfugiés, qui est aussi un service euh, de l'État. Il y a l'éducation, comme je vous ai parlé, l'éducation dans son ensemble, y compris la formation professionnelle. Il y a la santé, parce qu'elle travaille aussi le long de la frontière jusqu'au niveau de Agadez commune. Donc, il y a ce groupe de services euh, techniques. Maintenant, au niveau des partenaires, il y a les ONG, que ce soit national ou international, et il y a les systèmes onusien. Et les systèmes onusiens, ceux qui sont beaucoup plus qui interviennent, il y a l'UNICEF eh, qui intervient par rapport euh, donc à toutes les questions de protection des enfants et l'assistance aux enfants. Il y a l'OIM qui c'est leur mandat la migration de façon générale. Il y a l'UNHCR qui eux s'occupent des réfugiés, parce que les réfugiés aussi sont une catégorie qui fait partie de la migration, parce qu'ils ont fui chez eux, ils ont traversé tout un chemin pour venir. En ce qui nous concerne, vous voyez toutes nos activités que nous mettons en œuvre, c'est avec le financement de l'UNICEF, qui a créé le centre de transit et d'orientation qui accueille les enfants ENA, les enfants non accompagnés, un centre équipé qui assure la restauration, qui finance les soins de santé, qui payent même certains agents et qui assurent le transport des enfants jusqu'au niveau de leur région d'origine. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Avant la pause teaser, c'était la dernière partie de notre entretien du jour. Il est 11h passé de 25 minutes. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalangou, une émission du studio Kalangou très riche en informations et en divertissement. Chers auditeurs, nous allons à présent passer à la rubrique hebdomadaire sur l'éducation numérique avec Ousmane Mahmoudou. Bonjour Ousmane, de quoi allons-nous parler ce matin Aujourd'hui, on va parler de sextorsion. Alors Ousmane, peux-tu nous en dire plus sur ce phénomène et son ampleur alors, la sextortion, c'est un crime qui cible euh, principalement les enfants et les adolescents aux États-Unis. Euh, mais pas qu'aux États-Unis, hein, c'est un peu partout dans le monde, mais comme c'est un pays un peu avancé, un peu à la devanture des choses, ils font déjà beaucoup d'études dessus. Mais au Niger, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'études euh, à ce sujet, mais quand même, on constate qu'il y a aussi des adultes qui sont touchés. Alors, la sextorsion, pour faire une définition assez brève, c'est quelque chose qui consiste à contraindre les victimes à envoyer des images explicites en ligne. Entendez par images explicites euh, des images intimes de nus euh, puis à les extorquer pour obtenir davantage de matériel explicite ou de l'argent. Alors, on en parle aujourd'hui puisque les malfrats utilisent aujourd'hui des techniques de plus en plus sophistiquées, notamment l'utilisation d'intelligence artificielle pour générer de fausses images ou de vidéos explicites à partir d'images anodines prises sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, etc. Et ça, ça a été dit euh, par le euh, FBI dans une récente dépêche de Reuters. Donc il y a aussi une technique encore beaucoup plus sournoise qui consiste à pirater les hôpitaux afin de dérober les dossiers médicaux euh, dans lesquels des images intimes de patients s'y trouvent justement pour les faire chanter après. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'ampleur de ce problème aux États-Unis Alors, au cours de l'année écoulée, les forces de l'ordre ont reçu plus de 7000 signalements aux États-Unis liés à la sextorsion à ligne de mineurs, impliquant plus de 3000 victimes, principalement des garçons. Euh, et, malheureusement, euh, plus d'une douzaine de victimes de sextension euh, ont même mis fin à leur vie euh, en raison de la détresse que cela leur a causé. Donc c'est un vrai problème qui nécessite une action immédiate. Comment ces sextorsionnistes ciblent-ils leurs victimes alors c'est très classique, hein. ils opèrent sur des plateformes en ligne où les gens se sentent un peu à l'aise, comme les réseaux sociaux évidemment, les sites de jeux en ligne et les applications de chat vidéo. Donc ils vont créer souvent de faux comptes pour euh, approcher les personnes, qu'elles soient mineures ou adultes, les tromper pour obtenir des images explicites, puis les menacent de divulguer ce matériel-là qui est explicite s'ils ne fournissent pas davantage de contenu de ce type ou de l'argent. Donc parfois, ils existe des paiements via des applications qu'on appelle peer-to-peer dans le jargon informatique. Donc ici, c'est à peu près ce qu'on peut avoir euh, au niveau de Nita, d'Airtel Money, d'Orange Money, etc. Les poursuites judiciaires contre les extorsionnistes sont-elles fréquentes Au Niger, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais aux États-Unis, les autorités américaines euh, ont engagé des poursuites dans plusieurs affaires de sextorsion au fil des années. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle euh, Buster euh, Hernandez qui a été condamné à 75 ans de prison en 2021 pour ses nombreuses activités criminelles dans la sextorsion. Quel conseil donneriez-vous aux parents et aux tuteurs pour protéger leurs enfants de la sextortion Déjà, il faut prendre des mesures préventives. Les parents et les tuteurs doivent euh, engager des discussions avec leurs enfants sur ces sujets pour les aider à comprendre les dangers euh, qu'on trouve euh, en ligne. Et les adultes aussi doivent faire beaucoup attention à ne pas se faire avoir. Il faut qu'ils s'assurent que la personne avec laquelle elles échangent sur les réseaux sociaux n'est pas un malfaiteur. Et si quelqu'un se trouve déjà piégé dans un cas de sextorsion, quelles mesures peut-il prendre Alors si la personne est déjà victime, c'est essentiel de signaler ce crime aux autorités, que ce soit la police, la gendarmerie, etc. selon le pays, il peut y avoir des mécanismes prévus pour ça. Mhm. Alors et deuxième chose, il ne faut jamais céder au santage du prédateur, puisque cela ne, va tout simplement pas l'arrêter. De toute façon, il va toujours continuer à vous demander de l'argent, même si vous lui en donnez, ou vous demandez d'autres vidéos, même si vous lui avez envoyé une hier. De plus, une euh, information encore très importante, c'est qu'il est recommandé de ne pas supprimer les messages ou le profil du prédateur, donc de la personne qui vous harcèle sur les réseaux sociaux, parce que ça peut servir de preuve à la justice et ça peut aider les forces de l'ordre à l'identifier et à l'arrêter. Donc ces victimes peuvent également obtenir de l'aide auprès d'un centre, de centres spécialisés, je le disais. Euh, pour certains pays, c'est le cas des États-Unis, ils ont des centres prévus pour ça et un peu partout dans le monde, mais malheureusement au Niger, on ne voit pas de euh, section juridique spécialisée sur ces questions. Merci Ousmane, qui, je le rappelle, est le responsable du desk numérique du studio Kalango pour ces informations cruciales sur la sextorsion. À jeudi prochain. Cette fois-ci, euh, nous allons souffler encore en musique euh, et ça sera avec un titre euh, de feu l'artiste Abdoumade. et son titre signifie la dépravation des mœurs, notamment de la nouvelle élite de la société qui ne respecte pas les valeurs ancestrales. Abdou Made est un artiste nigérien. Il est auteur et compositeur. Passionné de musique, il s'est initié très tôt au rythme traditionnel. En 2008, Abdou sort son premier et dernier album Zamani. Et maintenant, voici le titre Idmangou. Thank you. Place à l'écho des régions, direction Tilabéry pour parler du prix du poisson dans cette région. Nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil à nos auditeurs et auditrices de cette région qui nous écoutent en ce moment sur la radio Bani FM 94.5 MHz. wallahi hamisa naira in no gade ka soke sarra kira ibero agozangu hinka gama gama agozangu da wegu keiri mizo kila agozangu hinka da wegu ibero agozangu hinza gigiro kila ikeina agozangu da wegu ibero agozangu hinka da waranka aka amakwai ka kade ba de ibero kila ago zangu hinka da wegu iban bata awo kilo aga hinka te zambar hinka ibuna ce sont là les prix au kilo des différents poissons frais que nous rapporte Hawa une vendeuse que nous avons rencontrée au bord du fleuve Niger à Tilaberi comme elle l'a si bien dit le prix du poisson est très élevé

Par ailleurs, Sharif Mohamed, un observateur, évoque également certaines raisons qui pourraient expliquer le prix du poisson dans la capitale du fleuve Niger. Quand on parle du poisson au Niger, eh, on parle de Tilaberi, c'est la référence. Mais il faut retenir deux choses. Il y a des périodes où les poissons sont disponibles. Donc euh, c'est en fonction de la période de, l'eau. Quand il y a l'eau, c'est vraiment le bon moment pour avoir du poisson. Mais quand c'est l'étillage, quand l'eau est reculée et il n'y a pas assez de poissons dans le fleuve, on pense que le poisson c'est c'est vers décembre, janvier. En ces temps-là, euh, c'est la période du hot Mais même en ce moment, sur le marché, le poisson est disponible. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir Et d'après certaines informations, les poissons sont apportés du Mali en quantité. La plupart des poissons, ils sont pêchés au Mali. Euh, c'est à partir du bateau qu'on les amène vers Ayuru, qu'on les amène. Donc du coup, quand on les transporte, ça va devenir euh, évidemment cher. Mais aussi, il y a une certaine spéculation sur le marché parce que ça dépend des endroits. Il y a des endroits où tu peux aller voir avoir le kilo en fonction de l'espèce. Peut-être, euh, comment on appelle ça, le, poisson-chat, tu peux l'avoir à, à 1500. Il y a certains endroits, tu vas l'avoir à 1750. Il y a certains endroits, c'est à 2000. Et ainsi de suite. Par exemple, pour le capitaine, tu vas l'avoir à 2500. Un endroit, tu vas l'avoir à 3000, 3500. Donc, euh, c'est le marché. Mais il y a une certaine spéculation parce que les gens disent que le poisson, ces dernières années, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que certains disent que c'est parce qu'au niveau du Mali, il y a un barrage. C'est ce qui empêche euh, vraiment d'occasionner beaucoup de, de poissons ici. Malgré que la commune de Tilaberi soit une référence de pêche et de commerce de poissons, beaucoup de difficultés entourent la question. La commune urbaine de Tilaberi, c'est un rappel, dispose même d'un marché moderne de poissons et d'une usine de nourriture poisson. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. tout de suite, hein, c'est la page sport euh, aujourd'hui avec euh, Rayla Toussoumana. <laughs> Bonjour Reïla. Bonjour. Nous sommes euh, déjà à quelques heures du lancement de la 44e édition du championnat national de la lutte traditionnelle. Où en sommes-nous dans les préparatifs dans la capitale de l'Aïr, Agadez pour être exact, nous sommes à environ 24 heures de la tenue de cette 44e édition du sabre national. Le gouverneur de la région d'Agadez a effectué hier une visite de terrain pour s'enquérir de l'évolution des préparatifs. Le général de brigade Ibra Boulama apprécie les travaux abattus. On l'écoute au micro de Moussa À 72 heures du lancement de la 44e édition du Sable national, il était tout à fait normal que nous fassions le tour. Actuellement, nous sommes avec euh, la commission accueil hébergement, la commission infrastructure. Nous avons visité l'arène où quasiment tout est au point également, nous avons visité certains centres d'hébergement pour les délégations régionales. Et ici, au niveau du camping, euh, nous, sommes, euh, nous avons visité quelques chambres aussi qui sont réservées à, certains VIP, comme on dit. Et je pense que partout où nous sommes passés, c'est un sentiment de satisfaction, en tout cas qui nous anime euh, au regard de la qualité des travaux qui ont été effectués dans le cadre de la course du sabre national, comment se fera la prise en charge des participants côté restauration eh bien, je vous propose cette fois-ci de suivre un membre du comité d'organisation. Tout est prêt pour la prise en charge de tous les participants, confirme Abdraman Maoli, vice-président de la dite commission. Il est au micro d'Anissé Karim. Nous avons déjà tenu deux réunions. En cours de cette semaine également, nous allons nous réunir pour définitivement tabler sur le euh, les travaux que nous allons faire. Déjà, en tout cas, euh, les conditions sont en train d'être mises à notre disposition pour que tout, en tout cas, se passe dans les meilleures conditions. Et par rapport exclusivement à notre commission, en tout cas, quel qu'en soit ce que nous aurons fait, si les étrangers qui vont venir euh, ne sont pas mis dans des conditions, ne vont pas bien manger, en tout cas, la lutte n'aura aucun sens. L'événement va échouer. C'est pour ça, en tout cas, des instructions fermes nous ont été données pour qu'on mette tout en œuvre afin de voir, en tout cas, les déroulements de cette activité sur la restauration s'est passé dans de bonnes conditions. D'abord, il y a les huit régions, y compris la région d'Agadez. En moyenne, euh, nous estimons 500 participants qui vont venir. En dehors des invités, tels que donc, euh, il y a des VIP, il y a des personnels des marques, mais nous, nous sommes en train d'estimer plus de 1000 personnes, en tout cas, qui vont être ici à Agadez dans le cadre des événements. Nous sommes très optimistes et nous savons que nous allons réussir cet événement, Et c'est tout pour cette chronique dédiée 100% à la lutte traditionnelle. À demain pour d'autres informations sportives. Et surtout, ne manquez pas nos chroniques en direct d'Agadez durant le temps que durera la compétition de la lutte traditionnelle. Merci tout bye bye. Samira, qu'allons-nous découvrir dans la rubrique portrait du jour nous allons découvrir plutôt Soumaila euh, Soumaïla Alassane, un coiffeur traditionnel qui nous euh, appelons communément Wanzama en langue nationale. Il est natif de Gothé, dans la région de Tilabiri. Il exerce euh, ce métier aygi hillika amma isi dene karji dumbu aygo kala aka ko tolan 2000 2001 2002 2003 2004 ngrano isintin kaino izini aygo ko dene karji dumbu dene karji dumbu yongo banda ay 2004 2005 2006 2007 2008 wit ay dambangu dambangu yango de ay ni sintin ka haran 2023 arano irgo za 2008 gane sintin haran jiru wai alhali kana igo ka dambangu ay mandu aramo lahani ba cefo irko hino dungu bonara kutuk su honda diga hingin famandi danga nafa kanni dugo yowora wallahi ai du ara nafa ai du ara nafa bobo zama aini yawon duniya te nan kulkan no aini yawon duniya te ai wani kab goyowo a gaibanda wani wana de bonjina de ai jinin da gana ai cabiyan fola a gay bande ai gonde gorko sin hinka ai gonde izugu alhamdulillah irane ai go kun ara go ka hanga ara ete sumayla ni goyo wora sende fo dumo non bege duwara wallahi sanda kan irgo ka dide zam hunkuna wanzam tarai in sambu sanga banye tarai goy iman wanzam samba hay fo kulu illa in wanzam valerdi kalwa ta kan bora izo to jingaran diyan ngana gihin ka be kan wanzam gono walmu wata kan kurutun bora se ngana gihin ka be kan wanzam gono walmu wata kan damal kurkaryan dubobo atun bora se handin no bora gihin ka be kan wanzam gono amma illa bora su koi tare mai kan wanzan mai ku bon koino cabi mina cabi wone ibo ba kul igi irkaina irgi himde sanga barkar kauyan irgu koi bon koin tare didigiran dir koi cabi ngai do matakin ir koi da no irgi ye ka kayin nanga mota iban nungu jare bun bora amma ka deda inni munde he ka ye ka koine hakika hun kun bon koine ngai no himki inno gabi irgo yobo ngaino hima im bay im faman talkai se kan wanzam tarai wo mantikal asil goino kantun zadiye ga kaka kutukun kuna ya dinga a hima wanzam bandu hindu koini kulbon alhaku wanu wana aga bai wala asabe zama bor izo kan na hay hakika wanzam no ga jingarandi ham no kayango wanzam no illa goy bobu gono imene charau sambiyanno ndiya dumbiyanno akul wanzam goyrano ago amma isi bore kuna hanne hun kun dinna bora kebu bumbo anan ka kai ne salfo ku jas kebyan ai kan dane lamo da yigin kai bon kebu alor ke mamanti yadin no wo kan wanzam gi hin kite ne sen kebora mu maka ni ma agomno ni wanda sin ka te sene sen ne cela kan hugo hu kan gihin kin kebmo sin ka te sene zam zama wanzam no a kebora bora agto nan kan kala amne imun ga hanga kebu hanga bungu te hamni har harga te hamni zibugo hangara nama aka wanzam a cabora burani na gizai hamni hungum gaga ni su goni nora amma kulburwo ba sun duwadin na mun goyo beren da yango sai niga ate zam kuro din banki hillo ji adi tamkan ato kan yankan niga sai nigo ka a dino kuro go ka kuro hawo nigo ka gonna mata nigo ka no zama hanne ma katare hillo sidi ya dinga im wanzam no valer zama abora won zanga ngunon gogo kan bora mu dubani ni mom zanga gayendo irko gubonno agom no irko gubor batu zama hundu non kufaba im wanzame valero imi non darza Vous l'avez compris, euh, ce métier de Soumaïla Alassane, il l'a hérité euh, de sa famille, précisément de son père, qu'il a aussi hérité de son père. Et il a aussi parlé de la non-considération de l'activité euh, de ce Wanzam. Passons à présent à notre dernière tournée musicale, mais avant remercions Omar Hama pour ce beau portrait. Dernière tournée en musique avec le titre Bizarro, une collaboration de Natural Black et Ramflo. Worth C'est là le titre Bizarro de Natural Black et Flow. Poursuivons notre émission avec la chronique Lottie. Et dans la chronique Lottie de ces jours, on parle des préjugés envers les personnes. Rekia Arimi et Fanta Shamsou nous entretiennent sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hamsu, Quoi encore Regarde la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison. Hmm. Et des cinq. Hamsou, tu es sûr ça va Depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même Je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue juste en l'envoyant, Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges, tu juges, tu juges. Ça suffit, Mana. Juger Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dû juste ce que je vois. Hmm. D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée. tout si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar Acheter à manger, par exemple. Il y a des bars qui offrent des très bons menus et qui font des très bonnes bouffes. Hey Une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout. Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja hum, hum, hum, Arrête de modifier ce que j'ai dit. Toi, qu'est-ce que tu as dit Moi, j'ai dit que s'il il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça hmm. C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagée les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais. Préjugés quoi C'est quoi ça encore Toi en train de parler gros français là toujours. Hum, hum. Kadi, ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues, c'est faire des suppositions sur une personne par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Hé, moi je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia. Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles. Eh, moi, je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression. Première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché Tu as hmm. juste vu une dame qui t'a regardé et tu as dit qu'elle ressemble à une sorcière, Waymayati, mhm. qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore. <laughs> Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là. Hey, Kadi! Juste cette fois-ci. Mm, mm, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite soeur de ta voisine Zara, que tu traitais de débouchée parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas Elle l'a eu, wallahi. Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi sans même que tu ne t'en rendes compte. Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter C'est très simple, Kadhi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs. Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses. Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter. C'est tout à fait normal, Kadi. Personne n'est dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale Hamsou, merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse. Voilà, c'était là le loti euh, du desk femme du studio Kalongo. Akeyon Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour, bonjour à toutes. Alors, nous avons quoi dans la partie euh, linguistique de cette émission Oui, aujourd'hui, on va parler de la République. Donc, euh, en définition, la République est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique directement ou par intermédiaire des représentants élus. Ceux-ci reçoivent des mandats pour une euh, période déterminée et sont responsables devant la nation. Par ces représentants, le peuple est la source de la loi, l'autorité de l'État qui doit servir. Le bien commun s'exerce par la loi sur des individus libres et égaux. Le 18 décembre 1958, le Niger devient une république autonome et à la date du 18 décembre 2023, donc cette année, la République du Niger a fêté ses 65 ans d'anniversaire. Eh bien, donc, euh, on va un peu expliquer ça en full full day. Et république kan nous mum haala ɗum woni leydi na wiye hawrinde leydi ɗum yo laawol no enɗan hollude ndimaku ɓiɓɓe leydi kay en jeyi lamu, kay en woni ko golloto laamu kay on mumen un cuɓo yimɓe laatiɓe gollanto inɗe maɓɓe ɓe yimɓe suɓaɓe du no woodi dimma ko heeƴana ele wakkati mo wawi wadde on ɗen ɗon du en wonko darto haala yesso yimɓe fuu do inɗe yimɓe ɓen endam kamɓe e dariɓe do inde ɓiɓɓe leydi ɓe kamɓe woni ko watta du kondan laabi laamu ɗin kamɓe du kondan wonko ko tabintinto hono fande sembe leydi e hoore muɗum e kulle kawtaɗɗe e du kondan kañum woni ko gollirte ɗum no tawa du kondan yimɓe keɓɓe koye muɗum en kano yimɓe foto cap hitande ujunere temedde jeene capanɗe joyi e jeetati sappo e jeetati lewru décembre nden wonno ko niger laati leydi rimri adunankori hitande nde duuɓi nane e noga e tati sappo e jeetati lewru décembre hawrid leydi niger rimri ndi enna waɗi batu mum e julɗe muɗum capanɗe joyi capanɗe jeegom e joyi ɗum woni hikka noon ni Merci Soumana pour ces éclaircissements, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication comme en Fulfulde maintenant, ou en Zarma, en Hausa, en Tamashek ou en français, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos messages écrits vocaux au 82 89 89 64. Eh oui, écoutons les messages de quelques auditeurs <coughs> du studio Kalangu. gati adam kano mamudu kan goko ta cir meci no bo ay radio kalangu hangar sat sur sat emission ay kanir sai gumi gogin no bon ferai lewo ko ta cirge kalangu hangan zari kulkan ahimanda hey gogo bayir fakture kan za farandi nin no apel go banda irgo ko ta cirgo radio kalangu hangan mo gungumo ɗuminon bello Umar gonɗo Cota. e eh, radio kalangu ko gatta labariji ɗi en kittino ɗum en men sanne ɓe jeeyi himɓe jogodira himɓe waɗa inna goto baba goto ɗum woɗi sanne sanne kittino jemma e ñalawma wallay ɗum no woɗi sanne ɓe kokkamen kabaruji feere feere ji men kettino meɗen nana ɗum kam ɓeyde jon kamɓe bata sukaɓe haɓɓa anniya e jande jogo jande fulɓe bo kaɓɓa anniya takkito fijo joni nanga jandeji e nanga jande takkito kiru kiruji ɓe nanga jande mabɓe naata ko mar sa kuma kam yetta ka karan karan kabarju sanne sanne abdoulahi abdullahi musa saini falma izarma e ai garan sijo hangan wati kulu kana sai mu wallahi ne go ga Baara hanga o radio kalangona wai go ga hangan wati kulu radio studio kalangu ayno asumu muna amadou isa falma alallahi radio studio kalangu hangal kono dai lallai gai ga fai hangan yan son dama son wai sibai limar kan bonno bargad wai gumbono dai wato din lallai ga hangan gumu gumu jin nan go be lande irgo gir foyan to nan di studio kalangu jin funai da goy tere me amedo di farha yan kan ga kasine kan studio kalangu go kan de labo bumbo se di departement kan ti falmai departement studio kalangu dir hatta gaduwa irga duwa ra fahamayya studio kalangu afaman diyango labaro kaniyo se irga chahan da disetar mato gurugu kairga ceci rajiyai bon irgo go ngware mo studio kalangu ga mo fongu irga iri belanda yan ga ceci girga kasine studio kalangu amir wasa amir wasa gati madu se ba anten kangana irmo inda ga du charwati kulu am gurugu labaro atonan kan borga ba credit da gisa maga studio kalangu ir komin no fonda kangana irma na fanda mate se mo radio tabbatante kanga koy C'est la fin de cette euh, émission euh, du Niger euh, sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Samira Rafi et de Habib Ahmed. Rendez-vous est pris pour demain 11h heure de Niamey. À la technique, c'était Amina Hassan et à l'édition, c'était Rahila Toussoumana. Mais en attendant, restez câblés pour nos auditions de 17h. Excellente, journée.